Madame, Monsieur, bienvenue à la deuxième partie de notre euh, débat public sur les mutilations génitales féminines. Hier, nous avons réuni des experts et des acteurs engagés ainsi que des traditionnalistes et pour discuter de cette euh, problématique persistante dans la région du Sahel, Un rappel, cette émission spéciale est une coproduction de Studio Yafa au Burkina Faso, Studio Tamani au Mali, Studio Kalangu au Niger, trois médias de la Fondation Irwandel réunis à Bamako. Je suis Emile Roland du Burkina. Je m'avais rapidement vous présenter nos invités avec qui on a débattu hier. Madame Traoré Koulibaly Ramata, elle est membre de la CAFO, coordination des associations et organisations féminines. Madame Diodo Diallo, spécialiste en santé sexuelle et reproductive, présidente de l'association L'Adamousso des adolescents et jeunes du Mali. Et Amadou Dadier Sango, homme de culture. Brahma Balo, il est de l'association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles. Je suis Rafika Taher du studio Kalangou. Cette fois-ci, nous ouvrons la discussion au public. Posez vos questions, partagez vos témoignages et écoutons les réponses de nos invités. Bonjour Mariam. Bonjour Rafika, bonjour Aimé Ouedrago. Alors vous avez écouté la première partie de cette émission où nos invités ont partagé leur expérience, euh, euh tout ce qu'ils ont appris par rapport à l'excision a été partagé. Des pour et des contre, euh, euh, chacun a défendu sa position sur euh, ce, plateau. Et cette fois-ci, la parole est à vous pour poser des questions. Et nous allons passer par une série de questions, de cinq questions. Et j'aimerais que beaucoup de femmes puissent poser des questions. Moi, c'est Oussini Olegem. Je représente la Direction nationale promotion enfants et Famille. Je suis chargé de programme à la division enfants. Bien entendu, j'ai suivi le débat avec intérêt et ma question porte sur euh, la thématique et particulièrement sur l'intervention de M. Sango. Votre question s'adresse à M. Sango, si je comprends bien. À M. Sango et oh. c'est tout le public là qui va intervenir peut-être. Ok. Eh, M. Ouedrago, c'est madame qui avait posé la question à M. Sango, les avantages de l'excision. M. Sango a répondu que c'est pour diminuer la sensibilité de la femme. Diminuer la sensibilité de la femme, est-ce que ça c'est un avantage Je ne prends pas ça comme un avantage, mais c'est un inconvénient. Peut-être c'est une manière. Je continue par Je continue. Ok, allez-y. C'est une manière de nuire à la femme. n'est pas quand même un avantage. Je prends la métaphore. Quand par exemple on prend la langue comme un organe de goût dans la bouche pour empêcher quelqu'un d'être gourmand. Si on taille une partie de sa langue, on nuit à la personne ou bien c'est pour euh, diminuer sa sensibilité en matière de, de goût. Donc c'est comme ça que moi je comprends. Merci eh beaucoup, M. Bologem. Est-ce que je peux continuer Peut-être une autre série, parce que là, il faudrait que les autres puissent prendre la parole. Ah, ah. je peux continuer Posez votre question, s'il vous plaît. Alors, une dernière question, parce que je pense que la sensibilité, Sango l'a déjà notée. S'il y a une autre question, rapidement. Ah, d'accord. Vous n'avez pas de question Ok. Allez-y, monsieur, vous allez commencer par vous présenter. Merci beaucoup. Merci bien, euh, mesdames, messieurs. Moi, c'est Brima Sidibé, je représente l'ONG euh, APSEF ici euh, au cours de ce débat. L'APSEF, c'est l'Association pour la promotion des droits et le bien-être de la famille. Euh, c'est une ONG nationale qui intervient bien entendu sur euh, les questions de violence basées sur le genre, sur les droits, sur les MGF, sur les pratiques traditionnelles, sur, sur les droits humains en général. Euh, m'inviter ici pour euh, prendre la parole, c'est vraiment euh, un plaisir pour moi parce que ça permet, ça contribue à édifier davantage les communautés et les personnes par rapport à cette pratique-là. les MGF, c'est comme l'a dit les intervenants, moi je ne vais pas revenir sur l'historique, l'historique de l'historique des MGF, mais c'est une pratique qui est ancrée, qui est ancrée dans nos, dans dans nos coutumes et dans nos traditions c'est anti-islamique, ça a été dit. Euh, bien avant l'islam, ça existait. Et donc, quand l'islam est venu, euh, ne voyant pas de problème en cela, donc l'islam l'a toléré. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. Et quelqu'un l'a dit euh, dans son intervention, les conséquences sont multiples et de multiples formes. À l'accouchement, une femme qui a été accouchée, qui a, qui a été excisée, a des difficultés au niveau de l'accouchement. Et quand cette difficulté... Euh, Est-ce que vous confirmez que c'est toute femme euh, qui a été excisée euh, on ne parle pas au hasard parce qu'il faut aussi, quand vous voulez convaincre. Vous généralisez Non, quand vous voulez convaincre, il faut avoir des arguments, il faut avoir des statistiques. je ne suis pas tout à fait d'accord avec, avec Sango quand il dit qu'il faut. On, est dans, dans la logique du scientifique. Non, le scientifique, c'est le vrai, c'est ce qui convaincre, donner des arguments pour convaincre. quand on commençait eh, la lutte contre l'excision, on n'avait pas d'image, on n'avait pas de, de photos par rapport à la femme qui a des difficultés au niveau de l'accouchement. Ça nous a, eh, ça nous a eh, posé énormément de problèmes pour convaincre les gens. Mais aujourd'hui, avec les docteurs, les docteurs Moustaphe Touré, euh, euh Guindo, euh, Dolo, on a eu des images des images réelles sur des, femmes qui accouchent, qui ont des difficultés. Donc ça, c'est des images qui existent aujourd'hui. Je pense que nous sommes euh, un peu pris par le c'est capitalisé. c'est capitalisé. Et donc, quand il dit que euh, euh, l'exclusion va euh, s'estomper, s'estompe, diminuer d'elle-même, non. C'est comme si vous dites que tout ce que les ONG et les partenaires techniques et l'État même fait, ce n'est rien. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et depuis, la lutte contre l'exil n'a pas commencé aujourd'hui. Ça, c'est depuis les indépendances, avec Alors, Awakita. Si, rapidement, on en vient à la question. Oui, avec Awakita. Donc, ça a commencé depuis longtemps. donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et tous ces ONG-là qui interviennent à travers le Mali, qui sensibilisent auprès de, au, plus près des communautés, avec les collectivités, avec les, les, communicateurs traditionnels, avec les, leaders du jeu. Bon, je ne vois pas euh, comment lui, il peut penser que tout ça là, c'est rien Alors, je vais essayer de reformuler votre question. Voilà. Sango, l'excision peut s'estomper d'elle-même. Lui, il n'est pas d'accord parce que c'est comme si vous disiez que tout ce que les associations, les ONG sont en train de faire sur le terrain est peine perdue. C'est ça. la question. C'est ça, oui. Alors, est-ce qu'il y a une autre question On passe euh, le micro à d'autres. Voilà. La, la question s'adresse à Madame alors je, veux euh, m'exprimer en, Bambara pour qu'elle posez la question en français, on va lui Donc, elle dit que euh, euh l'excision diminue la sensibilité de, la femme. L'exemple qu'il a pris, c'est ce qu'ils allaient exprimer exactement. C'est-à-dire, quand, quand, vous coupez une partie de la langue d'un individu, est-ce que ça diminue sa sensibilité Voilà, donc là, c'est... Voilà, donc... Il y a... Voilà, donc... Je veux dire que euh, la question de quand vous commencez à l'aborder, ça, ça, crée des, résistances, ça crée des résistances parce que c'est une pratique traditionnelle très ancrée, très ancrée. Et donc, quand euh, euh, au début, on a informé, on a commis euh, un groupe pour aller en Arabie Saoudite, dans les pays arabes, pour aller voir, pour aller voir si l'excision était pratiquée là-bas ou pas. Mais quand ils sont arrivés en, Iran, ils ont expliqué au grand imam d'Iran l'excision, mais il n'a pas pu comprendre. Mais finalement, quand il a compris, il dit que quand, quand vous faites ça ici, on vous tue parce que c'est un crime, ça. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sidibé, donc pour moi, vos je la dernière, la dernière question. C'est à Madame. Madame, moi, je voudrais savoir, est-ce que la CAFO est oui ou contre euh, oui ou non contre l'exclusion ou la, la pratique. Heureusement que ça a été posé parce que moi-même j'allais me transformer en public et poser cette question. Je vois la main d'une dame au fond euh, et un monsieur. En jaune, je pense que c'est Miss Barry. Moi, je suis Tata Aliou Barry, stagiaire à Sidio Tamani. Et j'ai une question adressée à Dojo Diallo. J'aimerais poser une question. Existe-t-il une chirurgie de reconstruction euh, du clitoris en cas de perte de sensation de cet organe pour les jeunes femmes et les femmes aussi. Euh, je réponds à l'identité de Bakary Soumano, représentant du Parlement des enfants du Mali ici. Donc euh, je m'excuse pour mon léger retard. moi, ma question, je vais commencer par la question qui s'adresse aussi à Tanti Diallo. J'aimerais savoir comment se fait la prise en charge psychologique des femmes qui ont été victimes des MGF. Ensuite, pour appuyer à ce que tonton Balo avait dit pendant le débat, et c'est vrai que AMSOPT et l'ONG Tania ont entrepris beaucoup de choses par rapport à ça, notamment dans la région de Koulikoro où je suis le président du Parlement des enfants. Et je peux dire qu'il y a plus de 54 villages là-bas qui ont abandonné cette pratique. Nous-mêmes, nous sommes euh, allés faire le constat là-bas et euh, les exciseuses même qui étaient sur lieu, eux-mêmes ont témoigné des conséquences que leurs actes ont eues sur les jeunes filles. Parce que moi, je m'appuie vraiment sur le problème psychologique. Parce que quand tout le monde s'intéresse maintenant au problème physique, mais il faudrait savoir aussi que ça traumatise la jeune fille, au fait. Donc, comme on est pris par le temps, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va essayer de répondre à ces questions. Hein. Quatre questions, cinq mais questions. il y a cinq questions. Parce que les deux, déjà, ça fait trois questions ici. Il y a deux questions au fond. Ça fait cinq. Cinq. Hmm? Il cinq questions. On va procéder. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question On va procéder par des séries de cinq questions. Nous avons déjà les cinq questions ici. Ah, donc c'est bon. les cinq questions sont euh, OK. Les autres peuvent se préparer. On va laisser la parole aux invités pour y répondre. Aimé, vous avez la parole. Merci beaucoup. Euh, nous allons revenir euh, ici sur ce plateau et puis à commencer par l'homme de culture. Vous avez recensé plus de questions que les autres. oui. Deux questions me sont deux questions me sont posées. L'une par le cousin et l'autre par un expert. Mhm. Euh, diminuer la sensibilité de la femme, est-ce un avantage ou un inconvénient Madame Koulbali a dit à Mbamara Negela pour réduire C'est-à-dire. Qu'est-ce que cela signifie J'en arrive. La prescription religieuse, c'est de heurter le clitoris sans faire une ablation profonde, conséquence, diminuer un tout petit peu la sensibilité de la femme pour qu'elle puisse se maîtriser. Il y a des moments où, quand la femme est excitée, elle ne se maîtrise plus, elle, déraisonne, etc. C'est des visions des groupes sociaux. C'est comme ça que les groupes voient la chose. Ils n'ont pas d'arguments scientifiques pour dire que c'est vraiment ça, mais on pense que si on fait ça, ça aide à protéger ça, ceci pour cela. C'est de bonne foi et de bon cœur. Mais ceci n'a pas de comparaison avec la langue. Quand vous coupez un morceau de la langue, vous êtes mort. Non, non, non, non, c'est pas réparable. Euh, Dieu merci que des jeunes demandent une chirurgie de réparation. Il n'y a pas de chirurgie de réparation de la langue dans nos sociétés traditionnelles de l'AES, c'est-à-dire incarnées par le Liptako gourmand, nous avons une culture profonde qui est relative à notre ancienneté dans le monde. Nos sociétés ont existé avant les religions et chaque groupe a sa manière d'expliquer l'excision. Tu as donné l'exemple des Dogon. Je peux donner l'exemple de Soraï. Je peux donner l'exemple de Tamashek. Je peux donner l'exemple des Peuls, où l'excision relève à peu près comme le tatouage sur la bouche des femmes Peuls. Il y a 50 ans, une femme Peul qui n'est pas tatouée, tu ne peux même pas sortir en public. Bon, si des trucs de groupe de conception. Donc, ne compare, enlève l'histoire de l'anglais. là. Monsieur Sango, Monsieur Werege voulait surtout savoir si cette diminution de sensibilité représente un avantage. Quel avantage elle représente pour la femme Madame, c'est des choix. On pense que ce n'est pas certainement pas un avantage formel. En fait, c'est une Mais c'est juste pour permettre d'encadrer quoi. C'était de bonne foi. Ce n'est pas fait méchamment, mais c'est simplement pour encadrer et accompagner l'évolution de la jeune fille. Alors, l'autre camarade a dit, avant, on n'avait pas d'image, on n'avait pas de support pour convaincre. Alors, je vais te retorquer. Tous ceux que vous avez vu, c'est des femmes excisées. Tu ne peux pas m'empêcher de donner cet argument. Tous ceux qui sont arrivés chez vous en chirurgie, là, c'est des femmes excisées. Vous n'avez pas vu les femmes non excisées, donc vous n'aurez pas de support aussi de ce côté. Et puis, depuis que le monde des mondes, l'excision existe, depuis que le monde est monde, il y a eu un phénomène, un temps où la mutilation génitale sexuelle est devenue à la mode. L'extérieur a mis beaucoup d'argent, on a alimenté beaucoup d'ONG là-dedans pour s'attaquer au phénomène dans nos sociétés. Mais est-ce qu'on a manqué de preuves depuis tout le temps Et les images, on n'en manquait pas. Si on a manqué des images, il ne manquait pas d'exemples pour les citer. Moi, je t'ai donné l'exemple du cas de Tombouctou, où toutes sont décédées par contagion pour un mauvais traitement chirurgical. C'est pas bon. Tu vois, non Et là-bas, on n'a pas attendu d'image, on n'en a pas. On est arrivé à la conclusion, c'est pas bon, on abandonne. Bon, maintenant, ça s'est estompé de tout seul. Les ONG qui travaillent sur le terrain ont donné des chiffres et des statistiques pour montrer l'abandon de la pratique. Et je dis, je te mets au défi de me dire, depuis que tu es venu à Bamako, sur les 30 dernières années, est-ce que tu as vu une excision groupée, comme on le fait au village Est-ce que tu l'as vu Je te mets au défi. Merci. Madame Ramata, il y a une question qui vous a été adressée. Est-ce que la CAFO est contre ou pour l'excision alors madame Amba Finira fi qui bamanankan ce que bɛ jɛkulu min a sɔnnen don excision ma wa ou bien a bannen don excision ma o hakilina ye mun y'a sanfɛ. an bɛ yɔrɔ min na bi kɔni kafo ma jɛn n'a ye a ma jɛn n'a ye dɛ a jɛlen bɛ bolokoli de ye anw bɛɛ jɛlen ni bolokoli de ye pour le moment an m'a dɔn e, kɔni a bɛna yɛlɛma siɲɛ fɛngɛ wɛrɛ n'o tɛ kɔni an bɛ yɔrɔ min kɔni an ma jɛn n'a ye eh. an ma jɛn ni bolokoli ye. Alors, elle dit que l'association qu'elle représente sur ce plateau, qui est une association de femmes du nom de la CAFO, n'est pas pour la pratique de l'excision. Par contre, la circoncision, oui, mais pas l'excision. Elle a été claire là-dessus. Mais apparemment, le pour, c'est sa position propre à elle, c'est sa culture à elle, et c'est ce qu'elle défend sur ce plateau. OK. Passons à Madame euh, Diodo. Voilà, en cas de perte de sensibilité, y a-t-il une opération chirurgicale pour réparer Prenez le micro, s'il vous plaît. Oui, effectivement, il y a la chirurgie réparatrice qui existe maintenant et ça se fait même ici au Mali. Euh, le coût, parlez-nous du coût. Est-ce que eh, ça se fait dans quelles conditions Et en quoi elle consiste surtout euh, Bon, je pense que je vais me faire aider par euh, ballot pour cette question parce que les questions de coût. Je ne suis pas très parce que je sais que pour l'excision, euh, à moins de 5 000, ça se fait. Maintenant, pour la réparation. <laughs> non, il va de soi que c'est plus cher. <laughs> Eh, il y a la chirurgie répartie du clitoris que euh, le Mali euh, a commencé il y a, il y a, quelques années. Je rends hommage au professeur burkinabé Okochanga, du professeur Okochanga, associé au, au professeur Moussaf Touré donc, qui ont formé des médecins maliens à la prise en charge et réparatrice des clitoris. Donc, euh, c'est une pratique purement médicale, euh, une médicale qui donne un semblant euh, de, vie voilà, à la femme excisée, donc qui veut avoir toute sa sensibilité. Donc, puisque, comme le, jeune, a parlé de, de prise en charge psychologique, psychologiquement, ça répare également les séquelles, comme quoi elle ne se sent plus une femme diminuée, elle se sent comme une femme entière, puisque vraiment elle, tend à recouvrir eh, l'ensemble de ses potentialités. Est-ce que la restauration, elle est totale Oui. La restauration, elle est totale, eh, mais, les médecins font encore une sorte de rééducation à ce niveau-là. Donc c'est accompagné encore de soutien, de, eh, de thérapie psychosociale. Avez-vous une idée du coût de l'opération eh, Non, l'opération n'est pas assez chère. Non, non, ce n'est pas assez cher. Et d'ailleurs, on, est en train de s'organiser pour faire des, campagnes gratuites de réparation des, clitoris eh, à celles qui veulent voilà, cette réparation-là. Merci pour toutes ces informations. Baba a posé la question de savoir comment, comment se fait la prise en charge psychologique. On a la question euh, de prise en charge psychologique. Alors d'abord, il faut savoir que la prise en charge psychologique se fait en fonction de l'atteinte. Par exemple, euh, il y a des personnes qui sont plus atteintes que d'autres. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Voilà, <laughs> exactement. Donc maintenant, euh, euh, c'est la même excision atteinte comment C'est pas la même ablation du clitoris Non, je parle de la prise en charge psychologique. L'atteinte psychologique, Mhm. pas de l'excision en tant que telle. Une personne peut subir euh, l'infibulation. Vous allez trouver qu'elle n'est pas plus atteinte qu'une personne qui a subi juste l'excision, qui est le type 2. Mhm. Les personnes n'ont pas les mêmes expressions, les mêmes sensibilités. Voilà. Donc la prise en charge se fait en fonction de l'atteinte de la personne même. D'accord. Donc il y a des personnes qui n'ont besoin que des psychologues bien c'est vrai que la, cette prise en charge ne va pas remplacer l'organe qui est perdu, mais ça peut aider la personne à faire face à cette situation qu'elle est en train de vivre. La difficulté de la situation, la prise en charge va dépendre de ça. Causer avec la personne, essayer de, de, de parler avec cette personne, parce que la prise en charge psychologique, c'est plus parler avec la personne, amener la personne à exprimer ses ressentis et tout. Donc maintenant, on va faire la prise en charge de ces ressentis-là par euh, en, parlant avec cette personne pour essayer d'atténuer un peu ses euh, souffrances. Maintenant, si ça va au-delà, si c'est vraiment euh, cette affection a amené cette personne dans des états de dépression de, qui, qui l'a vraiment traumatisé, là, ça peut aller à à un autre niveau, par exemple. La personne peut même avoir besoin d'un psychiatre. Parce que ce sont les psychiatres qui sont habilités maintenant à prescrire des, médicaments. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, dans quel, euh, dans quel cas une personne peut être plus ou moins atteinte psychologiquement Est-ce que ça dépend du milieu social dans lequel euh, cette personne évolue ou bien ça dépend de quoi pour qu'une personne puisse... Ça peut dépendre du milieu de, la personne. Par exemple, une personne, on a vu ici au Mali des cas où euh, la personne a subi l'infibulation. Comme Balo l'a expliqué, l'infibulation consiste maintenant à faire, à enlever le clitoris, enlever les petites lèvres, parfois enlever les grandes lèvres avec. Non seulement vous faites ça, ensuite ils vont fermer carrément l'orifice. Maintenant, ce sont des filles qui, lors du mariage, le jour même du mariage, avant les noces, vont encore partir chez les gynécos, vont faire une... Les, oui, les soit c'est chez les existe toujours dans nos contrées Ça existe. Ça, quand même, ça existe encore. Hein, parce que c'est une personne qui ne peut pas avoir de rapport sexuel il ne peut pas y avoir de pénétration parce que l'orifice est carrément fermé. Donc ils vont faire l'incision pour ouvrir cette personne. Et cette même nuit, la personne a des rapports sexuels avec son époux. Vous voyez à quel point ça peut traumatiser Je, pense qu'on on y reviendra. Cela a pour conséquence encore psychologique de développer la frigidité chez cette personne. La frigidité, mesdames, c'est lorsque la femme ne ressent pas du tout de plaisir pendant les rapports sexuels puisque la première expérience s'est passée par un acte douloureux, affreux. Imaginez-vous, la plaie vive est vraiment est pompée pendant, pendant des heures, toute une nuit, ou même toute une semaine. C'est vraiment. nous y reviendrons pas pour vous couper, mais je pense que nous avons déjà épuisé les cinq premières euh, questions. Nous allons encore euh, nous tourner vers Merci beaucoup, Aimé Rafika. Nous allons passer à, cette, à ce second tour de table. Qui est qui veut poser des questions encore Je voyais des mains par ici à ma gauche. Les filles, je rappelle que le public est majoritairement euh, les dames, jeune je vous et sens pas. dominé que vous voulez pas poser des, questions filles. Les filles, posez des questions, s'il vous plaît. Moi, je me nomme Aminata Chérif étudiante en ICAO et licence en JICO. Ma question est que, euh, je pose la question avec euh, Madame Diallo, après la circoncision, est-ce qu'il y aura des maladies plus graves que les pertes du sang ou bien il y aura d'autres conséquences négatives chez le genre féminin La circoncision ou l'excision L'excision plutôt. D'accord. Qui veut poser d'autres questions Je dans la question, vous l'avez compris, est-ce qu'après la pratique de l'excision, euh, il y aura d'autres complications Comment l'excision est arrivée vous n'étiez pas là dès le début Ah oui, j'étais là, mais je n'ai pas bien compris. Parce que pour convaincre ah, bah, vraiment, euh, dans les villages même, il faut savoir bien savoir euh, comment c'est arrivé. Parce qu'il y a les villages qui tiennent jusqu'à présent. Euh, tu expliques en vain, ils disent tu n'arrives pas à les convaincre comment c'est arrivé, pourquoi ils doivent arrêter. Monsieur Sango est là, il pourrait nous éclairer. Merci. C'est toute la question. Et je vous demande également, ce n'est pas que des questions, si celui ou celle qui a des expériences à partager également avec nous, vous pouvez le faire également. Le micro est à vous. Si ce n'est pas une question, si ce sont des expériences à partager, vous pouvez le faire. Je m'appelle Diaka Diakite, étudiante en journalisme et communication. Ma question est que, après les mutilations génitales féminines, est-ce que elle peut provoquer la mort de ces jeunes filles L'excision peut-elle amener à la mort C'est ça. À part les maladies. À part, les maladies, est-ce qu'elle peut provoquer d'autres conséquences comme la mort Ok, merci. Je me nomme Je fais la licence en, en JUCO et l'université UKAO. J'aimerais savoir, je m'adresse à Madame Koulibaly. Elle vient de nous dire que l'excision permet aux filles de ne pas avoir assez de sentiments elle ne pense pas et eh, après la jeunesse, quand on va se marier. Ça peut nous causer des problèmes dans nos foyers. Alors, je vois M. Oulogem qui veut prendre la parole encore, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question Moi, c'est Omumeiga, étudiante en journalisme et communication à l'ICAO Ma question s'adresse à Madame. Je voudrais savoir si l'excision cause les fuites urinaires. Est-ce que l'excision coûte les fuites urinaires je pense Donc, je pense qu'on est déjà à cinq questions. Ils vont répondre à ces cinq questions. Nous allons recommencer la série de questions avec M. Guindo. Il y a Mme Traoré Ramata également qui a une expérience à partager avec nous. Euh, peut-être nous allons la laisser partager cette expérience, ensuite euh, donner la parole aux autres pour répondre aux questions. Madame, vous avez la parole. Approchez le micro de la s'il vous plaît, madame. Ah Monsieur Guindo, k'a bɛ dɔ bɔ a tigi nege la donc o nege o, o ma fɔ bon ne bɛna yira la k'an bɛ yɔrɔ min na i ko bi fɔlɔfɔlɔ nɛgɛkɔrɔsigi tun bɛ kɛ cogoya min na an denw ka maracogo ani bi kelen tɛ n'i y'a ye den b'a fa a fa ɲini dilan na n'i y'a jate minɛ i b'a sɔrɔ a ma a ma a ma nɛgɛkɔrɔsigi a tɛ yen denmisɛnninw fa kelen ba kelen olu bɛ ka ɲɔgɔn ɲini dilan kan u fa n'u baw ka dilan kan bi parce que n'i y'a jate minɛ a si ma nɛgɛkɔrɔsigi kɛ mɔgɔ mɔgɔ k'i ye nɛgɛkɔrɔsigi kɛ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ a bɛ maloya hali n'i y'a yira cɛ la ko nin y'i cɛ ye a bɛ maloya k'a yira k'a fɔ ko ko de bɛna don ani nin cɛ cɛ mɛ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi denmisɛnninw mago t'o si la parce que a donna u kun na u caman bɛ yen u si ma kɛ u si ma nɛgɛkɔrɔsigi kɛ n'i ma n'i ma nɛgɛkɔrɔsigi yɛrɛ kɛ i tɛ malo cɛ ko ni muso ko bɛ cogo min i tɛ malo n'a k'a nan'i la kaban dɔrɔn i ko i k'a kɛ de i tɛ maloya mɔgɔ si ma i tɛ maloya fa ma i tɛ maloya ba ma donc o kosɔn an ko an t'a la ni solution kɔni bɛ se ka sɔrɔ sensibilisation kɔnɔ ka mɔgɔw la faamuya n'a ye ni dɔ bɛ se ka denmisɛnninw nege la min tɛ o ye o kɔni anw bɛ baara kɛ n'o ye n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ yɔrɔ min bi kɔni denmisɛnninw ka cɛko barika bonyana fo ka tɛmɛ k'a sababu kɛ u ma sigi nɛgɛkɔrɔ n'u sigira nɛgɛkɔrɔ dɔɔnin bɛ bɔ fɛn in na o mɛ ni dɔ ma bɔ fɛn in na a tɔ bɛ juguya de fo calcul tɛ yen tuguni Alors, je vais essayer de résumer rapidement ce qu'elle a mm-hmm. dit. Euh, que dans nos sociétés actuellement, la sexualité au niveau des, des jeunes filles et des jeunes garçons prend de l'ampleur dans nos sociétés. Et vous verrez de plus en plus des filles qui sont de même père, même mère, qui se... Euh, bon, je vais essayer de, masquer un peu les paroles pour ne pas heurter la sensibilité de certains. Des, des enfants de même père, même mère qui se cherchent, des filles... Qui, va à l'inceste des filles qui cherchent à coucher avec leur père et que s'il y a une autre solution aujourd'hui, autre que l'excision pour un peu diminuer l'appétit sexuel de, de, la jeune fille, elle, est d'accord, mais quand même pour elle, l'excision est vraiment un, facteur pour euh, un peu canaliser, les, euh, diminuer la sensibilité des femmes pour que ces choses-là puissent euh, s'estomper dans nos sociétés. Quand Mme Ramata parlait, monsieur avait l'air d'être contre ce qu'elle disait. Vous pouvez développer, s'il vous plaît Est-ce qu'on ne va pas répondre aux questions moi c'est important. C'est important. Il faut casser les préjugés autour de l'excision, les mythes qui entourent l'excision. Ça, le doyen Sango est d'accord avec nous, n'est-ce pas, doyen Les mythes, les préjugés. Quelle preuve avons-nous que les filles qui couchent, eh, l'inceste est provoqué par des filles non excisées C'est un scandale. Je, dis, porte à faux. Euh, contre, cette, euh, cette, affirmation. D'autant plus qu'à Bamako, le taux de l'excision est estimé à 89% et 91%, 12 je veux dire, et pourtant, est vraiment, elles sont toutes excisées. Donc on ne peut pas imputer ça, euh, la dépravation des masses aujourd'hui à la non-excision. L'éducateur a failli. Monsieur Sango, le communicateur censé, vous éducateur, vous ne pas vous avez failli. On est d'accord. À ah, l'éducation des enfants, ce n'est pas en exigeant une fille eh, qu'on va assainir l'esprit. Non. Alors maintenant pour les questions, euh, Amina a posé euh, la première question à Diodo sur les conséquences qui peuvent en découler de l'excision après la pratique. Alors, euh, elle a parlé, elle a demandé à savoir s'il y a d'autres complications, par exemple. Les complications, il y en a énormément. Il y par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler des fistules vésico-vaginales. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des fistules, les filles Je vais parler en bambara. C'est pour que vous compreniez mieux. Fistule mouillé, fistule et muso bɛ sugunɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ hakɛ to ani banakɔta bɛ bɔ yɔrɔ min na a fila bɛɛ de bɛ ci ka don ɲɔgɔn na a muso baden filɛ pɔnze dɔgɔtɔrɔso la wa a bɛ sɔrɔ mun fɛ jiginni sen fɛ a bɛ sɔrɔ fɛn minnu bɛ se ka na n'a ye par exemple n bɛ fɛn fila dɔrɔn ta n'o olu filaw bɛ pratique ne face o ye musomanin ka furu joona n'a furula ka kɔnɔ ta ka sɔrɔ a farikolo ma se donc jiginniyɔrɔ la o kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka ko o ye sugunɛkɛyɔrɔ ni e, e, e banakɔtayɔrɔ a fila bɛɛ de bɛ ci ka don ɲɔgɔn na donc musow don ni bana ni u b'a fɛ ka taa banakɔta la a bɛ na de u tɛ se k'u maîtriser parce que sphincter mun n'o ye fɛn ye fɛn mun b'a to i bɛ se k'i yɛrɛ minɛ par exemple ni sugunɛkɛ ganna an na yɔrɔ an bɛ se k'an yɛrɛ minɛ ka boli ka taa se ɲɛgɛn na pour que ka sugunɛ kɛ bon o b'a sɔrɔ o yɔrɔ o bɛɛ de détruit la a tɛ se k'a yɛrɛ minɛ a mana na dɔrɔn a bɛ bɔ de sugunɛ mana na dɔrɔn a bɛ bo ni sugunɛ a bɛɛ de bɛ bɔ parce que a yɔrɔ bɛ kɛ woba kelen de donc o ye complication dɔ ye complication dɔ ye mais dɔw ɲininkali kɛ ko est ce que k'a bɛ se ka mɔgɔ faga o mɔgɔ faga in yɛrɛ o bɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen yɛrɛ depuis ex depuis a ma bɔ exciseuse yɛrɛ fɛ yen a bɛ se ka sa parce que jeli bɛ bɔ hémorragie ba bɛ kɛ ni fɛɛrɛ ma kɛ ka fɛɛrɛ kɛ fɛn hémorragie in na a dɔ la hémorragie in yɛrɛ a source yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na exégèse t'olu bɛɛ dɔn donc a bɛ se ka sa u bolo yɛrɛ depuis den ma taa so yɔrɔ o kɔni o ka teri donc a conséquence wɛrɛ bɛ se ka kɛ mun ye an y'a fɔ cogoya min na ko jiginniyɔrɔ la a bɛ problème minnu sɔrɔ jiginniyɔrɔ a dɔ la hali n'a ma fistule ninnu kɛ jiginni na a bɛ sɛgɛn kosɛbɛ a dɔ la den yɛrɛ bɛ se ka sa a kɔnɔ

qui font, et, euh, euh, euh, fistules anales qui font partie des, complications. Par exemple, lors de l'accouchement, des, filles, par exemple, qui ont été mariées précocement, alors qu'elles n'avaient pas encore l'âge d'être mariées, l'organisme n'était pas encore prêt à accueillir un bébé. Donc, ce sont des filles qui peuvent faire des fistules lors de l'accouchement. Et les filles qui ont subi l'excision. Cela est lié au mariage précoce ou bien à l'excision les deux. Les deux. Oui. Les deux. Donc les cas d'excision également peuvent causer ça. Vous pouvez prouver que cela est dû à l'excision. Oui. Il y a des preuves. j'ai des, réserves. En ce sens S'il vous, plaît, on va aller dans l'ordre. Oui, vous dans l'ordre. Eh, je vais appuyer ma sœur. Il nous reste euh, juste quelques minutes. C'est important. C'est important. je sais qu'il il pose la question, pas pour lui, mais pour l'auditoire. Donc, il est bien éclairé. En ce sens que les organes qui sont touchés par l'excision, donc maintenant, euh, sont cicatrisés. Pendant le quand le travail commence, quand l'accouchement commence, donc euh, l'expulsion devient difficile. Quand ça, devient difficile, ça peut provoquer, quand euh, l'accouchement n'est pas assisté, ben, bien évidemment, ça peut provoquer la fistule. Elle peut être vecteur vaginale ou vésico vaginale. Et, et, comme autre conséquence, cela peut provoquer eh, vraiment eh, des, des, difficultés chez l'enfant. C'est que vous vous appelez enfant à amalgame, entre guillemets. Donc cela peut provoquer ce problème-là chez l'enfant. En ce qui concerne la fistule, c'est lié à la, l'accouchement difficile. Lorsque les organes qui sont touchés par l'accouchement ne sont, ne sont pas élastiques, donc la sortie de l'enfant devient c'est un sujet vraiment très important. Merci, mais vous n'établissez pas le rapport entre, entre excision et fistule. Hein. Nous allons parcourir et nous allons trouver des éléments de réponse aux questions posées. Je pense que Soum Koura a posé une question comment la pratique est arrivée. Dans chaque société, nous avons des règles de fonctionnement je viens à un mode simple que vous connaissez tous. Pour le mariage, l'adaoubé, il y a les pratiques pour le mariage. Konobolise, ça sert à quoi Benkan de dos, Furu Barmake Marfa. Euh, excusez-moi, hein, je vais expliquer ça pour la jeunesse. Quand vous partez demander une femme en mariage, le jour de la célébration, vous amenez de l'argent. Vous dites fa fadloki, fa barmake marfa, etc c'est une règle établie chez nous hein. on est tombé d'accord dessus depuis que le monde est monde et avant toutes les religions, toutes les sociétés dans le monde, nous fonctionnons comme ça, en Donc, Akera Ladaï, c'est ça qu'on appelle Ladaï. Donc, ce que nous faisons tous les jours, qui sont les usages, on les appelle les us, min Donanga an c'est les mœurs les us et les mœurs donc Adonana, depuis la bolokoli be cɛw ye nɛgɛkɔrɔsigi bɛ c'est arrivé avant l'islam l'islam n'a pas interdit ça a encouragé ça chez les hommes mais à ma fin faut musow t'a finalement do b'a kɛ avant le christianisme avant l'islam. Et ça fait partie des héritages qui sont des fonds culturels communs. On ne sait pas à quel moment de l'histoire c'est arrivé, mais Agneko donc a soro à B. Donc, Abanga fait un corollaire quoi. C'est comme ça que la chose est entre nos mains. Est-ce qu'à Est-ce que c'est bien clair Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que cette euh, pratique a pensé à l'avenir des femmes dans leur vie future de couple Moi, je dirais que non. Parce que si euh, on me permet, je, je, faire un témoignage. Lors d'une sensibilisation, on a parlé des, oui, oui, on a parlé des effets de, l'excision. C'était avec les femmes mariées dans la chambre, tout ce qui se passe là-bas et tout, tout, tout. Donc, on a parlé de comme euh, Balot l'avait dit, de frigidité. On a parlé des questions de frigidité, des questions de dyspareunie, c'est-à-dire euh, les douleurs lors des rapports sexuels et tout. on a parlé de beaucoup, beaucoup d'effets qui arrivent après l'excision pendant euh, notre vie conjugale. Et il y a une dame qui nous a dit, bon voilà, elle est là, certaines choses qu'elle ne, elle ne comprenait pas, elle ne savait pas que c'était lié à l'excision, mais maintenant elle comprend que c'est lié à l'excision parce que euh, lors de sa première expérience, ça s'est très très mal passé à cause de l'excision. Et depuis lors, vraiment, elle, elle a même préféré divorcer et rester chez, chez elle. Elle n'a plus de relation, même pas de petits copains ou quoi que ce soit, parce qu'elle-même, elle a honte qu'un homme la Le qui nous est imparti, Donc tout ça là, ce sont des effets qui Merci sont liés à euh, l'excision. ces informations. Merci. Une question était adressée à notre chère maman. À côté, comme je ne comprends pas la langue, je vais demander à Maria Maïga de traduire la question pour elle. L'une des participantes a demandé est-ce qu'en faisant l'excision, elle pensait à la vie sentimentale et amoureuse de leurs enfants Madame Traoré Aramata Kulibali ɲiningali eh, dɔ tun tɛŋunila eh, étudiante dɔ fɛ a ko ko n'a y'a sɔrɔ eh, nɛgɛkɔrɔsigi awɔ k'a bɛ dɔbɔ muso nɛgɛ la awɔ k'a kɛkun ye muso i yɛrɛ ka fɔla musow ka dɔ bɔ kɛnɛma yala ni fɛn dɔw u ka sigi so awɔ k'e bolo est ce que hakili be musow ka sinina wa n'a kɛkun ye ka dɔbu u nɛgɛ la sini dun n'u taru furuso la u b'a kɛ cogo di ayiwa o ɲininkali bɛ yɔrɔ min na n'i y'a ye an b'a fɔ ko nɛgɛkɔrɔsigi ka kɛ ka dɔ bɔ musow nege la o ye halisa denmisɛnninw ma sɔn an ka kuma de ma ni denmisɛnninw n'u mansaw tun donna da fɛ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nɛgɛkɔrɔsigi kɛra o a ma kɛ o denmisɛnnin bɛ s'a yɛrɛ la o mɛ ni denmisɛnninw t'u mansaw ɲininka fɛn min ka di u ye u b'o kɛ fɛn min ka fɔ u ye u b'o kɛ u bɛ bɔ u bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ min ka di u ye donc sisan o de la an fana b'a exiger ko nɛgɛkɔrɔsigi ka kɛ

plus de 60 ans aujourd'hui et qu'entre elle et son mari, c'est son pied, mon pied, ton pied, mon pied. Et que euh, euh, euh, ça, ne change en rien. On peut être excisé et être bonne femme au foyer, c'est ça. Merci beaucoup, notre interprète maison, Mariam <laughs> Maïga. C'est ici que l'on s'arrête. Le débat était passionnant. C'est vrai, on s'arrête ici, mais les discussions se poursuivent. Merci aux uns et aux autres, ou bien Rafika Ataer. Oui, un grand merci à nos invités et au public pour cette discussion riche en perspectives. Les mutilations génitales féminines sont une réalité à laquelle nous devons mettre fin. Nous espérons que ce débat contribuera à sensibiliser davantage et à mobiliser l'action. Merci de nous avoir rejoints. À la prochaine pour un nouveau sujet de débat sur les ondes de la Fondation Hirondelle. Nous Mariam, la parole est à vous. Alors, euh, charmant public, je vous dis merci. Le public était constitué de l'AMSOP, de AMSET, du Parlement des enfants, des étudiants de l'ICAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, des étudiants de l'INTEC également. Merci, merci pour votre participation, mais également, également, Monsieur Guindo, je ne vais pas vous oublier, vous étiez là, vous avez fait beaucoup de témoignages. Il s'agit de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille qui était représentée également dans cette salle. Grand merci à vous tous pour votre participation. J'espère que vous avez bien appris des choses. Beaucoup de choses ont été dites ici. Chacun a défendu sa position pour ou contre l'excision. Nous sortirons tous avec des leçons ici. Si vous êtes satisfait, faites du bruit. Merci Bamako. Merci.